Si vous voulez que je parle, euh, ce, qu'on peut retenir de notre audience avec le doyen des juges d'instruction, c'est que, une fois de plus, une fois de plus, la loi du talion est appliquée. C'est la volonté, c'est le dictat d'un individu qui s'appelle Macky Sall, qui a dicté sa volonté au juge, qui l'a dicté au procureur. Et malheureusement, malgré tout ce que l'on dit, mais de mes brillants jeunes confrères, tous les points de droit pour démonter l'accusation du procureur ont été abordés et on l'a démonté. On l'a démonté de, bout en bout. L'article 139 qui permet au juge d'instruction, qui est indépendant, de ne pas suivre les s'il n'est pas dûment motivé, il n'a pas osé l'appliquer. Et pourtant, au moment, on a pensé qu'on l'avait ébranlé parce qu'on a soulevé sa responsabilité, non seulement face à l'histoire, mais face à Dieu. Donc voilà un juge, malheureusement, qui a raté une belle occasion de sa carrière. En laissant notre client, Ousmane Sonko, libre. Mes chers compatriotes, c'est dommage parce que le Sénégal est en train de vivre une phase historique de son devenir. Nous autres avocats, nous avons joué entièrement notre partition. Et nous pensions que le juge d'instruction qui était là en face de nous allait communiquer à cette phase. Parce que nous constituons quand même le dernier rempart de la justice. Et nous pensions qu'on allait laisser cet individu, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est un individu intègre, sa carrière d'inspecteur de, justice, du trésor, des impôts, l'a prouvé. Une carrière impeccable. Son cursus politique nous a montré que c'est le leader du principal parti d'opposition, le PASTEF. Et grâce à lui, l'opposition a emporté la majorité des sièges dans les élections législatives. Donc voilà quelqu'un la décision, je vous l'ai dit, à notre grande surprise, à notre grande surprise, le doyen des juges a appliqué les instructions du parquet. Et mon confrère, Massour pekan me le disait tout à l'heure, avant nos interventions, malgré tout ce qu'on dira, il va suivre l'élection du procureur parce que c'est déjà une commande. Voilà une commande politique qui a été faite par Macky Sall qui est passé par le ministre de la Justice, par le procureur. Et malheureusement, un juge du siège, qui par là, par son courage, par sa unanimité, hein, pouvait se démarquer, a malheureusement suivi les, les, réquisitoires du procureur pour, pour décerner le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. Mais je vous jure que nous, nous avons accompli notre devoir. Quels sont les éléments Mais je vous dirai autre chose. les éléments qu'on a, qu'on a, qu'on a le, c'est le fait que les sept chefs d'inculpation, par conséquent, compte tenu du fait de la non-disponibilité de de ces dossiers, on ne pouvait pas à nouveau les mettre dans ces dossiers. Vous savez, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face les dessins inavoués et avoués de Macky Sall, c'est d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024. Mais l'échéance est proche. C'est dans quelques mois. Maintenant, il nous appartient. Il appartient au peuple sénégalais. Parce que cher Anta Diop disait, dans l'histoire d'un peuple, il arrive une grave entre toutes qui fait se dresser tous les fils d'un peuple, tous les dignes fils d'un peuple, car la terre des aïeux est en danger, car la vague de honte qui monte risque d'éclabousser à jamais le front des générations mortes, vivantes à venir. Je vous remercie. ma lu ñu mën a wax lu mu mën a wax ci wolof mooy sunu yaakaar dafa tas 40 avocats ñoo nekkoon ci salle bi pour défendre ko point de droit yep de justice yëpp yi nga xam ne moom nañu waroon plaider suma brillant confrère yi soulevé nañ ko plein de droit yi moo nekkoon par exemple que liñ ko jiiñ liñ ko taxal yëpp yu si a acte de terrorisme des diffusion de fausses nouvelles ak yeneen ak yeneen loolu yëpp da leen démontré que leen que amul un élément de preuve c'est-à-dire dossier bon xam ne fois vide amul un élément de preuve bon xam le juge changement ne peut pas se ko parce que a un dossier ñi ngi wax ay meurtre mais moi, pour il faut que nous am un gens. de mort. pour nous blanchir euh, pour nous blanchiment d'argent hein, ou les actes acte de terrorisme il faut que nous ayons par exemple ay transfert d'argent, un am relevé bancaire un xam un pas pour nous wax diffusion de fausses nouvelles il faut que prouver quoi les les avocats l'ont démonté de ces des mon juge juge du siège Le juge du siège Vous êtes juge du parquet parce que juge du parquet dafay obéir mécaniquement ordre supérieur mais juge du siège juge d'instruction moi, dafa am indépendance l'histoire nous a montré qu'on a eu d'éminents juges d'instruction de un juges comme Maudit Koumbaba, qui ont refusé de décerner mandat de dépôt à l'époque contre le président Abdoulaye Wade, etc. etc. Donc c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas de nous... n'est comme je vous ai dit. Tasnet, que le juge Maham Diallo n'a inscrit le en lettres d'or dans les annales judiciaires du pays wante parce que nee signature bi ngay def décision bi ngay def devenir pays bi su fekkee dëkk bi tàkk na su fekkee dëkk bi dans le chaos suñu ay nit si dépendre soo dëkk bi nag ne eh, daal calme sedd koy bàyyi soo dëkk bi euh, mandat de dépôt donc ñun ñaan ñuy ma Cheikh Anta Diop. donc dañ ko def mandat de dépôt. dañ ko def mandat de dépôt léegi Cheikh Anta Diop moom di ngeen wax dina am benn heure boo xam ne nag askan wi yéen askan wi yaa leen di jëkk yaa leen di jëkk parce que jëkk dox jot na su leen jëgul gatché moo ñu dal non mooy dal non seulement génération yu dee suñu suñu mam yi moo ñu dal ñun mais ak futur yi mandat de dépôt bi dafa am la amul oh. les là mandat de dépôt il y a pas de mandat de dépôt il y a pas tant que le jugement ne sera pas euh, <laughs> quand il y aura pas de jugement mandat de dépôt est téye dañ ko téye fu mu nekk nii mi ngi si kaso bi donc maître une nouvelle de votre confrère Juan Branco qui est actuellement recherché. Branco ce qu'on sait que ce qu'on sait c'est qu'il est venu par la Gambie. Oui. C'est dans l'aéroport de Jundum qu'il a débarqué. Et là, je pense qu'il avait bien organisé son arrivée parce qu'il avait déjà une 4x4 à sa disposition et des gardes du corps. Il a bien chronométré son temps, d'intervention parce qu'immédiatement après, il est ressorti accompagné de ses, gardes du corps. Ah non, non, personne n'était pas au courant. Même Ousmane Sonko, n'était au courant de son arrivée. Il est venu comme un cheveu dans la soupe. mais je pense que c'est un avocat courageux, un avocat compétent, qui a osé assumer son rôle d'avocat. Il est activement recherché, est-ce qu'il est rentré dans le territoire gambien Même s'il est recherché, ce n'est que de, la comédie. L'État sénégalais, l'État n'osera pas toucher un seul cheveu de Branco. Parce que c'est un avocat. Il y a des conventions internationales qui nous, lient avec la France. Des conventions judiciaires qui, font que on ne serait arrêter Branco et le détenir en prison. Le mandat de l'action, <laughs> la procédure du procureur, c'est de la farce. Tout le monde sait qu'un procureur n'a pas le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt international c'est de la farce. Tout ça, c'est parce que c'est une réaction. Parce que en ce moment, le pouvoir de Macky Sall a peur des plaintes devant la CPI. Et la CPI a mis en branle ses enquêteurs. D'ici quelques temps, cette procédure va commencer. Et tous ceux qui ont touché à l'assassinat des 40 manifestants, tous les meurtres à balles réelles, que ce soit par les forces de, sécurité, à visage découvert ou encagoulé, comme le président de la République et tout son entourage répondront de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Son à Je dirais même de dégoût. De dégoût face à cette farce euh, judiciaire, politico-judiciaire, euh, et euh, vraiment me désoler des conséquences de la décision qui a été prise par le doyen des juges. La décision de le placer sous mandat de dépôt. C'est extrêmement grave parce qu'il s'agit d'une enquête de flagrance, de flagrant délit portant sur un téléphone. Pour le préciser. Le dossier, le dossier, ce qu'il y a dans le dossier, c'est une enquête de flagrant délit, soi-disant, pour quelqu'un qui aurait volé un téléphone. Et on a entendu la gendarme plaignante qui est venue dire c'est pas Ousmane Sonko qui a pris mon téléphone, mais c'est un de ses agents de sécurité. Ça, c'est un. Est-ce qu'il vous a blessé Non. Mais j'ai mal, j'ai mal à, la, au poignet. Est-ce que vous aviez décliné votre identité pour qu'on sache que c'est un gendarme Non, je n'ai pas décliné mon identité. Donc voilà le dossier. Et lorsque les gendarmes ont interrogé, les policiers ont interrogé Ousmane Sonko, il n'a pas répondu sur ces questions-là. Maintenant, l'enquêteur va sur Internet, il va sur YouTube, il le dit dans son PV, il va sur YouTube, il télécharge toutes les déclarations qu'Ousmane Sonko a eu à faire depuis 2021. Et tout ça, ces vidéos-là qu'il a téléchargées de YouTube, c'est ça qu'il constitue les faits qu'il a mis dans le dossier. Et ils ont posé des questions à Ousmane Sonko sur ces événements-là qui datent de 2021. Naturellement, il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à faire des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur n'a absolument apporté aucun fait, encore moins aucune preuve de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et, que donc il devait refuser, il devait rendre une ordonnance de refus, de refus d'informer. Bon, il l'a pas fait. Il assume, c'est sa responsabilité devant l'histoire et devant le peuple sénégalais que sa décision d'aujourd'hui va avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays. Voilà. D'accord. Il bénéficie d'un mandat de dépôt. Qu'est-ce qui peut euh, s'en suivre concrètement On verra, on avisera. On avisera. Euh, non, non je ne peux pas parler de Juan parce que Juan n'est pas là. Moi, je parle de l'actualité tout de suite là. Alors, tu ce que nous mën dossier bi le juge d'instruction bi Moi, enquête bi BAG enquête bi waral enquête de flagrant délit la ñu wax enquête mobile, bind commissaire bi moo bind wax ni enquête de flagrant délit la portant sur l'histoire du téléphone bi ñu interrogé yee gendarme bi nga xamné mom moom téléphone am ñu jël ko mu dem filmer ñu ne ko kan mo jël ce téléphone mu né du Ousmane Sonko mais ben gardam mom moko jël xam nga loolu leer na ñu ko est-ce que daf la gagne, parce qu'ils ont parlé de violence mu non non non il m'a pas blessé gagne mais su ma poignet day metti rek ñetteel bi ko est-ce que bi nga ñëwee décliné nga sa identité wane ni que tu es gendarme mu non defu ko te jigéen ji dafa nekkoon en civil di filmer nit ñi dégg naa sax dafa bracelet bracelet Pastef pour passer certainement unanime alors donc voilà le dossier bi nga xamni ci lañu doon def enquête de flagrant délit maintenant qui enquête mom néna dafa dem ci internet dem ci YouTube télécharger discours Ousmane Sonko yeeg événement yi mu ak meeting yi mu yépp depuis 2021 lool yépp et la dajale def ko ci ay clé USB def ko ci dossier bi loolu moo ci lool le procureur sukkandiku pour wax limu wax yépp bon limu wax yépp dem jëli ay dossier yo xam dossier yi na déjà japp nañ ci ay nit yep mu yakal ko Ousmane Sonko ni mom Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag tontuwul ci benn question donc ñun dañu demandé won juge bi ni ko comme procureur li mu lay wax yep, amul benn fait bu mu la indil ni benn preuve defal une ordonnance de refus d'informer manam nga bañ ni yow do informer mom nak deful mais daf koy assumer devant l'histoire histoire du Sénégal li procureur def tay ci la bok manam ko xamni ki

te doole gu fi yaay walla yàlla eh, nit yaakaar teg na yore nga ko nax ga sa bopp kenn ku nekk ci suuf ngay mujj nañu bàyyi xel si seen bàmmeel bàmmeel xat na te loo fa defut du la fa fekk te kenn xamul fii ak 2024 ndax di nga ko fekkee du juge du procureur du Macky Sall du Ousmane Sonko du man du yéen gi may seetaan amul kenn ku mun a werante ne ne 2024 dina la fa fekk kon na ñu ragal yàlla aduna day jeex yéen yi dara jaru ko toroxal Sénégal wala xam ne ne ay sàcc lañ ñu jàpp leen épinglé leen ay koor de contrôle épinglé ñu war a wax ci ñoom waxuñ ci ñoom lu dul ay ay mbir yoo xam ne kenn xamu ko man tey dama. non seetaan amul nit li mu war a def rek lay def sénégalais yi daal Ousmane Sonko wàcc na ak yéen sénégalais yi jël leen seen responsabilité. léegi nag bu ngeen jëlu seen responsabilité xañ nañ ko yàqal nañu fi ak ku mel ne Ousmane Sonko dootuñ dëgg si réew mi maa ko wax ku mel ne moom ku ko gën amu fi. ñiñ fi gis ñëpp ci politicien ku mel ni Sonko amu fi ku ko weddi defal li Ousmane Sonko wax mosuma lekk dërëmu réew mi ku ma mos a ger taxawal nga benn politicien du ko wax. kon moo tax ma ne Ousmane Sonko gàcce ngalaama sénégalais yi nag ñoo war a delloo mbuum ca mbooy ga mooy gor day gore nit bu la wonee gor ba dee te wone ngorom. gore na ba dee Ousmane Sonko gore na coono yi muy dund yëpp ci réew mi bu ko neexoon bañ ko dund bu ko neexoon mu dem sàcc def comme moromam yi lekk njabootam lekk te du am benn problème. mais loolu mu xañ ko boppam ngir dëgg ngir jub ngir jubal ñu ne nag doo fi nous doo fi kii ñun moom mu neex mu naqadi Ousmane Sonko la ñu bëgg moom la ñu àndal te moom la ñu jàppale. climat social les Sénégalais ont besoin quand même euh, même d'un climat social autre que ça donc la psychose risque de s'aggraver personne ne le souhaite Ses partisans vont peut-être euh, faire tout pour obtenir sa, sa, sa, sa libération parce que aussi on a vu ce qui s'est passé les dernières fois, euh, en mars 2021 et en juin 2023. Et personne ne souhaite euh, la réédition de, de, ces, événements quand même dramatiques. Mais malheureusement, donc, le juge avait quand même la possibilité quand même de, dégonfler la situation. Parce que nous, nous, euh, nous, sommes quand même, il faut dire, en, en présence d'une situation très tendue. Et je pense que seul le juge d'instruction quand même avait le pouvoir quand même de détendre la situation. Mais malheureusement, il a pris une autre décision qu'on n'attendait, qu'on n'attendait pas. Euh, et c'est déplorable. Est-ce que vous pouvez nous dire où va être emmené euh, Ousmane Non, pour le moment, on ne peut pas le savoir parce que bon, ça aussi, ça relève aussi de, l'administration pénitentiaire. Donc de l'administration pénitentiaire qui va voir euh, dans les maisons d'arrêt et de protection la plus adéquate à accueillir d'autres clients maintenant qu'il va être en détention, à quoi peut-on s'attendre pour la suite Non, vous savez que dans un dossier, il y a une procédure normale. Bon, peut-être il sera appelé devant le juge pour être entendu au fond. S'il est entendu au fond, bon, après, on va essayer en tant qu'avocat de faire des demandes pour lui faire obtenir la liberté provisoire. Au cas contraire, le dossier va suivre son cours jusqu'au jugement. Ça, peut durer Oui, ça peut durer parce qu'il parce y a des faits criminels qui sont visés. Et lorsque des faits criminels sont visés, la détention est limitée. Hein. Illimitée, il n'y a pas de limite. Le juge peut le retenir euh, le temps nécessaire qu'il boucle son dossier, que le dossier soit instruit. Donc euh, nous, on, pense que c'est une commande politique qui a été exécutée malheureusement par le juge. Et cette commande politique visait à empêcher au président Ousmane Sonko de, participer aux élections de 2024. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, on a une justice qui est presque infoédée à l'exécutif à un régime, pas même à l'exécutif, mais à un régime qui, à chaque fois qu'il le veut, euh, cherche des histoires à ses adversaires politiques et les envoie en prison. Et c'est malheureux pour notre démocratie sénégalaise. On n'a jamais vécu ça, même au temps de, Diouf et de Maître Ablaïwad. Je pense que la compétition était parfois rude, parfois même cruelle, mais on n'arrivait jamais à ce, à là donc pour vous dire qu'on est en train de subir quand même un grand recul démocratique au Sénégal, un très grand recul démocratique. Je pense que le Sénégal n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un pays entouré, comme on le dit, par une ceinture d'insécurité. Je pense que les leaders politiques, surtout ceux qui ont le pouvoir en charge, doivent quand même travailler pour pouvoir apaiser le climat social, pour pouvoir sécuriser les Sénégalais, pour pouvoir permettre aux Sénégalais de travailler. Aujourd'hui, vous avez dit, que l'Internet même a été coupé. L'Internet a été coupé et vous savez, vous, vous, imaginez le manque à gagner. Beaucoup de personnes travaillent sur la base euh, d'Internet, les transferts d'argent, les tout, le paiement des factures, tout. Est-ce que vous comprenez Si on coupe une Internet, c'est comme l'économie d'un pays qui est, paralysée. Donc à cause de cette situation, ils ont, ils ont paralysé le système économique sénégalais pour simplement euh, combattre un leader politique qui, dont son seul tort est de dire que je veux diriger un jour le Sénégal. Donc euh, c'est des situations vraiment déplorables qu'il faut déplorer aux yeux du monde entier et dire que toutes les quand même, bonnes volontés doivent euh, rester mobilisées pour vraiment combattre cette, cette injustice qui s'abat à chaque jour sur des Sénégalais.